moral c'est très bien te Ousmane Boulen may pelanti waaw comprendre la -hmm. Boulen may pelanti parce que même bu ñu ko defee sax mën nga ñëwaat sa gouvernement mais mën na le fragiliser du point de vue moral et de l'esprit de cohésion mhm. comprendre nga mhm. kon donc comme ñoom ñu ngi lay wut yow bul mayee dara mais ñoom lu la may jëlal loolu la constitution bi may jëlal mhm. mais yow bu leen may dara donc, du point de vue politique, le climat n'est pas encore favorable, le vent n'est pas encore favorable. Et puis aussi, je rappelle que. Pour, pour, pour, moi, quel est favorable Quel est favorable Nous baillons septembre, les délais de deux ans mat. Nous mhm. dissoudre l'Assemblée. Loi, tout au plus, deux mois après la dissolution, non tout au moins deux mois après la dissolution tout au plus trois mois après la dissolution il faut une élection et donc si nous dissoudrions l'Assemblée en septembre nous ko pour trois mois après nous am xoolal bu septembre octobre novembre décembre nous avons organisé organiser élection yi fait que ñu avons ci nawet bi dana fait ñu nous ci rentrée des classes au mois de décembre nous tëgg élection avec le vent favorable mm-hmm le mouvement révolutionnaire peut être largement majoritaire à l'Assemblée en ce moment Ousmane a sa déclaration de politique générale mm -hmm. comme li Ousmane li di wax deux mois à fi jot mm-hmm. fii dara ñoragu fi bañ la màcc loolu première logique La première logique deuxième, deuxième logique fait que mm-hmm. Ousmane a fait defi déclaration de politique générale Pour introduire la question du vote de confiance c'est-à-dire parce que euh, xam li Ousmane di def. Mhm. loi bi dafa wax ni so defé sa déclaration de politique générale wa paré manam mhm. da ngay ñew taxaw ci diggu penc bi nga wax ak askan bi. waaw les représentants du peuple moy député yi ñom ñu tontu la. Mhm. loolu moy premier temps fort bi bu loolu nak da fay am ce qu'on appelle vote de confiance. Ousmane day duggal ne assemblée bi dama bëgg lé ngeen votel ma confiance. -hmm. deux jours après l'assemblée se réunit su fekkee dañu ko voter confiance am le vote de confiance. Mhm. su fekkee voté wuñ ko confiance am la motion de censure kon avoir un vote de confiance Ousmane moo koy mhm. et là où l'intérêt est. parce que sous constitution. Mhm. waxul le premier ministre doit demander un vote de confiance. dafa le premier ministre peut peut mën na. waxul ni premier ministre dafa wara. a. dafa wax ni premier ministre mën donc c'est pas une obligation. c'est très bien kon donc suma ma Ousmane su fekkee japp naa ni dama koy dem defi Suma ko defee ba paré bu débat yi jeexee ñu lever séance bi Duma len may fu ñu may même si ñom juridiquement après assemblée bi mën nañu réunir je pense que bu n'avez amee euh, le pourcentage mais amna ben pourcentage bo xamné ne bu mën nañu euh, lancer directement ce qu'on appelle la motion de confiance la motion de euh, de de censure mm. même bu leen ko premier ministre demandé wul ñoom de par leur mécanisme euh, xamatuma euh, pourcentage dinaa ko xool mais bu ñu le nombre de députés boobu. bu ñu atteindre quorum bi. waaw bu ñu atteindre quorum boobu nañu ko voter motion de. mais mais mais Siré. maintenant ah, léegi nag comme dañuy nekk ci contexte boo xam ni dana mattem. du matin su ma Ousmane du ma sax dugal sama loxo fi mu toll nii rien ne presse <laughs> na continuer ci logique yi mu nekk ba septembre ñu dissoudre l'assemblée bi trois mois après on organise des nouvelles et puis le vent est favorable le mouvement révolutionnaire peut être majoritaire. mais si de yaakaar nga ne euh, député opposition bi. Mhm. ci situation bi ñu nekk nii. Mhm. nga yaakaar ne jéem a jéem a ay motion de sens du xaru ci ñoom. Euh, waaw moom mën na euh, de toute manière damay Thierno Diop. waaw wax ne booy jaaroog dof njëkk ko lak ndax mo yag yag da na lak xamaluma la opposition bi mom euh disons assemblée bi peut-être mën nañu def benn affaire de sursaut parce que xam nañu septembre bu leen fi il y a de probables forte chance ñu dissoudre. Hmm. comme dañ ko nar a dissoudre rek autant engager la bataille depuis la bataille politique. parce que man xam naa ci ñoo xam ne bu ñu fi dof dofloo ba ñu tas assemblée bi. Mm-hmm. li leen dese ci seen àdduna dootuñ ci nekkati député. waaw waaw waaw mais nga yaakaar ne kooku dana dem aventuré wu. mais mais mais assemblée bi moom tôt ou dañ koy tëj oh. dañu koy tas ah. que ni mu demee nii euh, ci sunu dëkk yi sunu état de démocratie fu mu toll. Mm-hmm. ak sunu état. Euh, de jeu des institutions que euh, au parti au pouvoir tu majoritaire majoritaire mais ça même fait qu'une une majorité relative. Mhm. moi j'ai des majorités mécaniques. mais juste une majorité confortable. qui te permet de euh, de voter les lois de faire passer les grandes décisions. Mhm. Hein, confortable euh, day am problématique. d'ailleurs D'ailleurs, Niger dund nañ ko gis nga fa mujjé ay coup d'état donc suñu état de développement euh, disons politique démocratique mo tollu donc mm. il est préférable pour l'intérêt de tous. que le régime en place, le mouvement révolutionnaire, notamment PASTEF, a une majorité confortable mm-hmm. pour pouvoir gouverner le Sénégal les cinq prochaines années. Mm-hmm. comprendre Comprenez Et donc, par A ou B, septembre, il faut nous reconfigurer l'affaire. Les gens, comme dañ koy reconfigurer ñoom ils peuvent être tentés par un dernier sursaut. Mais comme <laughs> septembre ils ont fait des guerres. Ils ko commencer commencé à daay gi quoi comme nous, etc. et donc toutes les chances sont données surtout que affaire bi déclaration de politique générale c'est un euh, euh, un exercice éminemment politique. Ouais, ouais c'est éminemment politique. Ah, Derrière ces assises juridiques, légalistes, etc., c'est le temps fort de la politique. Et vous faites que nous politique, nous politique. Mm Est-ce que vous comprenez Dans la politique, Omar Pendey dit jambar dawul. Mhm. dafa faut que vous wuti doole. parce que gis nga li ngay c'est éminemment politique que la déclaration de politique générale Idrissa Seck. Mhm militants ont ont son son ci kaw assemblée mhm. ah, la même chose avec euh, ministre yi fi fait fi déclaration de politique générale. Mhm. genre genre meeting politique lay nek ci assemblée bi quoi. Mhm. c'est éminemment politique. absolument euh, et d'ailleurs euh, ça me vient à l'esprit c'est un dixième de l'Assemblée nationale. Ça cest dire que faites que Ousmane Sonko le premier ministre doit demander le vote de confiance. s'il y a 17 députés à l'état actuel de notre député quoi 165 fait qu'il y 17 députés you wax non. de ont déclenché déclencher euh, motion de censure mais par contre ce fait qu'ils ont demandé le vote de confiance su ñu a un dixième de l'assemblée mhm. mën google euh, motion de censure sans pour autant que le premier ministre ait demandé le vote de confiance donc élément de droit mais euh, au-delà des aspects juridiques la déclaration de politique générale mhm. c'est une, un exercice éminemment, politique. Et pour manson qu'on doit rester dans la politique dans ce mmh. Or, dans la politique, actuellement, le vent n'est pas favorable. Mm. Et le vent n'est pas favorable. Des wuyo, tu le Omar Pendoloir, Djambar Daoulé. Mais il faut outil reculer pour mieux sauter. Très bien. Parce que d'un ça peut être contre-productif mm-hmm. que Ndegeni ndax dans la vie de tous les jours des fois di nga bëgg dara mais doo ko et puis je rappelle que euh, bàyyi ba jekk ko nak def ko. Mhm. Oh, ci la amé quoi. et puis je rappelle que déclaration de politique générale bi amul dire bu ko mhm. waxu ñu né dans une semaine wala dans trois mois. non non xam nga moy la maru jabaté doon wax. waaw déclaration de politique Ousmane Sonko bi gaay di layam layamee. moy mhm. la maru jabaté doon wax nee na xam ko taxul nga baax def ko taxul nga bon bon <laughs> effectivement wa très bien Ousmane foofu lañ toll ci ki bi wa parce que beaucoup de Sénégalais mhm. aussi dañu dañuy def ben dañu am dañuy jaxaso ci ndax dafa am dir bu le tenk ci nga wara def mhm. Mhm. déclaration de politique générale non loolu règlement intérieur assemblée moo changé nañ ko ah gaay yi nañu nañu xamné ne il peut le faire à tout moment parce que bu ñëk ba dañ doon wax né bo fi défé 3 mois rek war nga mëna def wa mais lolu ah. règlement intérieur assemblée moo ko wax mm. mais lolu loi organique la mais loi constitutionnelle des lois constitutionnelles constitutionnelle qui quoi. tout à fait comprendre alors. et puis oh. comme on est dans le principe de la séparation des pouvoirs aussi euh, euh, Ousmane Sonko ci constitution vous quoi. Mhm. que ci assemblée mais bon de toute façon on va revenir sur ça alors nous euh, ngi sur une dernière ligne droite. Mhm. On a vu la, déclaration, la, déclaration de Amadouba. après une longue absence, mhm. qui revient avec une déclaration très diplomatique. Hein. Très diplomatique. <laughs> Ah. mais, mais, mais, c'est un grand diplomate. Ah. Hein? Alors Parce qu'il a été, même été ministre des Affaires étrangères aussi. <laughs> Alors, Amadouba qui revient, mhm. et puis, euh, nan nga jàppee retour Amadouba ci paysage politique bi, et puis nan la recomposition politique bi ci sa jàngat Wow, a euh, ce qui est beau c'est affaire yi Euh, dañuy dañuy toppante. Mm-hmm. dañuy toppante. waaw lu luy toppante. Euh, <laughs> xam nga.